boo ko bëggee dimbali doo ko ba mu daanu danga ko yëkkati ànd ak moom di terter kon ma ne nan leen def li nga xam ne moo war ci enquête parlementaire bi yéen bu ñu leen ko joxee les onze députés na ngeen gëstu parce que li ngeen war gëstu yépp dafa bari Sénégal gii li fi sikk dafa bari Sénégal li fi anormal dafa bari kon nag yaakaar naa ni Karim Meïssa Wade bokk mooy indi jàmm ci réew mi mooy defar réew mi mooy indi ngi réew mi cher ole nan leen ñaan jàmm ñun ñépp ndax jàmm ci la lépp xaj lu dul jàmm jàmm ko gën fi may daanee la nag mooy sa tubéy boo ko gisee ci sa taatu noon tiital sa tubéy bis boo ko gisee ci sa taatu noon rek tiital te xam ne pexe nga fa kon nag pexe moomu bu ko kenn négligé nan ko seet nan ko seet ba xam ah ma ne Karim may sawaat waaxum giléem la xajul ci ron lan bàyyi leen ko mu ñëw jël réew mi nekk président du Sénégal réew mi naat projet yi dox jigéen ñu kontaan jeunes yi kontaan mag ñi liqaliku

Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Ministre en charge des institutions, honorables députés, chers collègues, beaucoup Sénégal Vous faites ni képp que nous àttee lu la neexul dëkk bi tàkk kon bis bu ne dëkk bi tàkk bu dañu am commission d'enquête enquête ci lépp lu jàpp naa ni taxawal dañu commission buy enquête ci assemblée nationale bu yàgg man yàgg naa wax ci mbirum injustice bi nga xam ne naufrage bi nga xam dëkkee waaye bu ñu seetloo bu conseil constitutionnel atte woon leneen. ma ne bu fekkente conseil constitutionnel Sénégal ci réclamation yi nga xam ne nañ ko fi muy yiñu ñu yi bu atte woon leneen lu wuuteeg bu boba lañu contre la réclamation portée par le candidat du pouvoir. À partir de ce moment, les députés, les députés du Sénégal, à partir de ce moment, l'Assemblée nationale du Sénégal, bi nga moment voté la loi sur le parrainage ici confier au Conseil constitutionnel le contrôle du parrainage nous taxaw dit le droit qu'on a confié au conseil constitutionnel de contrôler les parrainages erreur bi mu ngi assise dialogue national ngeen dialogue national tout va rouler comme sur de l'or vous avez fait face à la justice de ce pays oui la justice a été dite et c'est une honte c'est une honte c'est une honte, je dis, que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a aucune preuve qui a été apportée, aucun début de preuve. Sinon, du unique, comme nous sommes comme nous sommes nous sommes nous défendre Sénégal. sommes jaaxal nous ma tay ceci ne m'ébranle en aucune façon pas et je m'adresse à cette nouvelle coalition en gestation qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays. Vous avez condamné le Mali, vous avez condamné le Burkina Faso, vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État. Et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en voulant reporter des élections. Nous disons non au report des élections qui se tiendront à bonne date. Parce que c'est vous qui avez voulu confier au Conseil constitutionnel le contrôle des parrainages par une loi que vous avez votée récemment à l'issue de votre dialogue national. la caravane, la caravane la caravane du Sénégal va passer. Le Sénégal est plus bas que terre. Parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal et qui s'apprend au reste de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Pas plus que vous n'avez pu rien contre ma réclamation, vous ne pourrez pas faire taire le peuple sénégalais qui est debout, qui comprend et qui s'en va Vive le Sénégal, vive la République pour des élections dans les délais. Vive le Sénégal, Monsieur le Président, vous avez constaté que j'ai été victime d'une agression ici. Comme la collègue Aminia Gibi a été victime d'une agression. Et j'espère que vous ferez votre rapport. Parce que oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Et j'espère, Monsieur le Président, qu'avec la même célérité que vous avez fait le rapport sur le cas Aminia Merci vous ferez la même célérité pour faire le rapport contre des agresseurs dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Merci. La parole est à notre collègue. Euh, Bakary Bine Kamara, suivi de Adi Mergan.